Attention, attention, vigilance, quoi. Vigilance, vigilance, le peuple africain. Sachez une chose, quoi. L'immigration fait plus de ravages et va continuer, si on laisse faire, de ravager l'Afrique. Pire que le marché triangulaire, pire que la traite négrière. L'immigration, <laughs> c'est une autre forme d'esclavage D'accord Que la traite négrière. C'est plus, c'est dix fois plus sournois. C'est plus vicieux. D'accord C'est dix fois plus dangereux que la traite négrière. Hein? C'est Ce que ça a coûté déjà à l'Afrique. Depuis les années, attends, c'est depuis les années 70 tout simplement. Hein. depuis les années 70. Tu as vu l'accélération avec les regroupements familiales et les jeunes issus de l'immigration et ceux qui ont échappé à la Méditerranée et tout, ceux qui sont prostitués et tous ces trucs-là. Et ça continue parce que euh, où est la culture africaine Où est l'Afrique Où est l'Afrique Même sur tous les plans, l'Afrique ne représente plus rien que des bâtards, quoi. Hein? Et c'est ça le problème fondamental. Il faut être très, très, très, très vigilant. Parce que pour l'instant, tu vois, le monde, le monde, le monde, c'est par cycle. C'est par cycle. Là, actuellement, on est ce qu'on appelle au, croisé des chemins. Vos grands-pères, il y en a qui ont essayé, ils ont été complètement, ils ont été assassinés. Mais depuis Chaka Zulu, et surtout, faites attention à une chose. L'arme qui te tue, c'est ton frère qui l'aiguise. Qui a tué Chaka Qui a éliminé Patrice Lumumba Comme un qui les a éliminés Amilcar Cabral, Thomas Sankara, c'est qui Encore une fois, le couteau qui te tue, c'est ton frère qui l'aiguise. Et j'insiste, je maintiens, je signe et j'attends un débat. L'immigration est en train de nous bouger. complètement nous bouger. Aujourd'hui, après, euh, après combien de temps Plus de 100 ans. Si je parle au Sénégalais, 1927, ça va faire dans 3 ans 100 ans. Cheikh Ahmadou Bamba nous a quittés en 1927. Où se trouve aujourd'hui le Sénégal où, où se trouve l'Afrique de l'Ouest On commence par exemple à gagner un point, à tracer par exemple un chemin panafricaniste. On commence à récolter des acquis de Cheikh Ahmed Bamba à Kwame Nkrumah, à Patrice Lumumba, à Cheikh Et tu vois là, non, c'est extraordinaire. Le colon est trop fort. Le colon est trop fort. Tu vois, quand je parle avec mes, mes enfants là, ces jeunes toisisans panafricaneurs là, qui sont rien d'autre, la moindre chose, ils tremblent quoi. Ils n'ont plus rien d'africain ils ont épousé la méthode, par exemple, euh, euh, de ces colons-là. La moindre chose, ils commencent à trembler, à parler de respect, euh, de patati, patata, alors qu'ils sont en train de te mettre ça doucement, quoi, tu vois. Et toi, quand tu réagis, et tu les vois là, ils commencent à dire respect. Et ils ne respectent personne. Ils savent même pas ce qu'il veut dire respect. Parce que tu réagis quand ils sont en train d'essayer de, de, de, quoi. Tu Tu leur dis non, arrêtez, quoi. Ils t'écoutent pas. Ils viennent et tout, euh, avec leur accoutrement, là, avec leurs paroles, là, leurs verbes, là, pour t'endormir, comme, comme, ils, faisaient à l'époque euh, de leur grand-père, quoi. nous mettre les sangores euh, devant, leur faire député, docteur honoris causa, ceci, cela, avec des redingotes et des lunettes et tout ça, hein, complètement bluffé le peuple, quoi. Et c'est ce qui est en train de se faire. Avec, euh, avec la, dans toute règle, il y a une exception, bien entendu. Il y a des jeunes Africains fiers, prêts, par exemple, à relever le combat. Mais sur dix jeunes Africains, mais il y en a sept arquis, quoi. Des gens qui sont là, mandatés, dirigés par derrière, par ces fils de colons-là qui veulent revenir, bah, passer par la fenêtre et redominer l'Afrique avec des projets. Tu entends n'importe quoi, l'agriculture, ah ouais, on vient pour, euh, par exemple, tout simplement l'autosuffisance de l'Afrique et l'indépendance de l'Afrique. Mais quand même, hein, en étant quoi, européen Vous voyez qu'il y a Marine Le Pen qui est en balotage favorable, qu'elle n'a qu'à passer. D'accord elle, ils tremblent déjà que Marine Le Pen passe. Hmm? Cette bande-là, c'est des Africains, ça Ce pas des Africains. Ils ont peur d'être Africains concrètement. Ils roulent avec le passeport français et tout ça. Ils s'en fichent que leurs frères et leurs sœurs ne peuvent pas sortir de Dakar ni d'Abidjan. On les interdit de sortir, ils n'ont pas de visa, ils n'ont rien. ils profitent de ça. Ils, veulent être des hommes de paille, hein, des Européens et venir passer par la fenêtre et encore recanaliser le projet, par exemple, de libération d'Afrique, d'accord, avec leur, euh, leur programme d'agriculture. D'accord Si on est dans cette merde-là, ça part de 1960, avec le projet du général de Gaulle, qui nous a interdit euh, de cultiver euh, le blé. on importe le blé et qui nous a pris aujourd'hui notre arachide et faire l'huile d'arachide à Paris et nous vendre l'huile de soja et l'huile de tournesol et tous ces trucs-là. Et tous, ils se lèvent, les hommes de paille, les trois quarts, et quand ils arrivent, la première des choses qu'ils vont dire, par exemple, à, cette bande de jeunes Africains hein, et tout, ah, moi, j'ai un doctorat de ça, mais ils n'ont jamais bossé. Ils connaissent rien du tout cravate, lunettes, machin, hein, j'ai des sous. C'est des hommes de paille qui veulent remplacer les valets. Parce qu'on a réussi, pendant tout ce temps-là, avec des pertes énormes. On a perdu Kwame Nkrumah, euh, Thomas Sankara, euh, Patrice Lumumba, euh, Cheikh Ante Diop. On a tout perdu. Et aujourd'hui, on arrive à déboulonner les valets qu'il y avait en Afrique de l'Ouest comme ça, sortir un peu la tête de l'eau pour dire maintenant l'autosuffisance en Afrique, commencer à parler de ce qu'on va mettre pour nos intérêts, à dire non, plus jamais importer du blé dans 3-4 ans, plus jamais importer de l'huile, parce que nous avons l'arachide, nous avons nos enfants, ils vont plus prendre la mer, parce qu'ils vont travailler, ils vont travailler dans les usines d'huilerie, ils vont travailler, ils vont vendre dans les grands moulins, par exemple, on va leur donner du blé, plus jamais ça, plus jamais là. Et tu vois, ils nous envoient leurs tarés hein, euh, d'enfants issus de l'immigration ou bien ces harkis qui ont pris le truc, venir, hein, projet, projet, Afrique, machin, tout, pour faire quoi Vous pensez qu'on va vous laisser faire comme ça Moi, en ce qui me concerne, vu l'âge, d'accord, je reprends service avec euh, euh, mes anciens camarades du Mali, Burkina, du Niger, vous allez voir, ça, au Sénégal, n'en parlons même pas. Le projet avec, pour l'intérêt du peuple sénégalais sera validé par le gouvernement de PASTEF, le programme de PASTEF. On s'est battu depuis plus de dix ans. Appelez Ousmane Sonko, appelez euh, Bassirou les autres, ça passera pas. D'accord Ça passera pas. Hein vous êtes quoi là hein Des loups hein habillés en agneau Venir dire, parler de... Vous n'avez pas un programme panafricaniste, les gars. Vous sortez d'où Il y a tellement de projets en ce moment. Tous, ils te de euh, agricole, agricole, agricole, agricole, agricole, agricole, agricole. Qu'est-ce que vous proposez Soumettez-le à Ousmane Sonko. Envoyez-le, on l'amène au Mali. Ça va trouver d'abord déjà, et au Niger, un programme, un programme qui va montrer, qui va défendre les intérêts matériels et moraux du peuple africain. Ça ne dépendra pas, par exemple, de la ligne tracée par ces colons-là. Il y en a qui viennent nous parler des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes. Tout ça derrière un projet soi-disant agricole. Euh, c'est par là que vous voulez passer encore pour pomper euh, la matière première, par exemple, euh, du continent africain. Les Africains sont assez grands pour créer leur programme agricole, le financer avec leur matière première. Ils ont ce qu'il faut je ne dis pas interdire, mais donner du boulot à toute la jeunesse africaine qui n'ont plus besoin, par exemple, de traverser la mer pour venir être des bêtes de somme en Europe. C'est ça notre objectif. Hmm? Il ne suffit pas d'être né en Afrique pour être un Africain qui défend les intérêts matériels et moraux des Africains. Aujourd'hui, on vous prend comme des hommes de paille. On sait ce qui se passe, les gars. Ça date depuis 30 ans des petits blancs qui sont derrière quelques nègres en disant viens, on va ensemble. Bon, c'est pas un vieux sens que vous allez apprendre à faire la grimace. Donc là, on déboulonne les valets et maintenant ils vont créer des hommes de paille. D'accord Et ces hommes de paille-là vont venir, ouais, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça, et tous ces trucs-là, je propose ça en Afrique et tout ça. Ce que tu proposes, on rejette personne. Écris-le remets le à nos États. remets le à Tu ne peux pas le remettre, donne-le-moi. remets le à Bassirou. Remets on va le regarder. Ça passera pas entre des hommes de paille. D'accord Les gens que vous représentez, le Georges ou bien le Pierre ou bien le Bernard, euh, le petit colon là, qui vous utilise et quelque chose de ce genre, le peuple sénégalais peut prendre les projets panafricanistes pour l'intérêt matériel et du peuple sénégalais et le financer. On vous donnera... Regardez, l'exemple est clair. On dit on va favoriser, comme font les, comme font les Européens, hein, on va favoriser les Sénégalais. On va vous donner les terres, on va vous donner ce qu'il faut. Les Chinois, les Français, les, Indiens, tous ces trucs-là qui viennent chez nous, qui achètent nos terres, qui cultivent euh, les oignons, euh, patates et tout ça, et que ça partage le marché avec les paysans sénégalais et exporte du Sénégal, c'est fini. On va favoriser les Sénégalais, les Africains chez nous. Et tu as des vendus d'Africains qui viennent. Moi, je suis noir, ah, je suis africain, je suis sénégalais, je suis pas Africain. On te traite comme. Alors que c'est un traître, comme ses grands-pères, filles Boigny, comme Senghor. Ces gens-là, on a réussi 100 euh, ans à les déboulonner. Vous, vous, rendez compte Et maintenant, là où le danger de l'immigration, sur 10 euh, vraiment panafricains, dans a une exception, moi, j'ai pas mal de jeunes qui ont une double nationalité et qui sont de vrais combattants et tout ça, mais sur 10, les 7, c'est des pourritures. D'accord Vous êtes des pourritures. Je vous ai fréquenté dans des euh, machins là, les groupes WhatsApp là. Vous savez très bien qu'on ne peut pas travailler dans des groupes WhatsApp. Comment ils peuvent être 150 hein? Même dans une salle, pour modérer une réunion physique, c'est que vous n'avez jamais pratiqué, vous n'êtes pas des militants, c'est très difficile. À plus forte raison, dans les groupes WhatsApp, où tout le monde arrive. Les PD, hein, les marxistes, léninistes, les staliniens, les trotskistes, euh, tu vois, au niveau de l'islam, les Nyassen, les Touba, les, les, les, les, les, les, les, des trucs, tout, de Et voilà, on est n'arrivent pas à modérer. Ils viennent, chacun parle, et puis même euh, euh, ces rats-là qui arrivent. Ah ouais, j'ai des, ah, sais pas quoi, j'ai... Il n'a jamais foutu son cul sur un Il n'a jamais travaillé. D'accord Voilà, j'ai ça. Non. Les gars, basta, arrêtez ça. Vous allez arrêter ça dès maintenant. Ça va arrêter. D'accord On va accompagner le petit pas là que ce soit tout en Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui, avec Jomai, on va encadrer. Les gars, travaillez et sachez une chose. Ceux qui ont amené cette victoire depuis dix ans, ce n'est pas aujourd'hui qu'on se bat par rapport à ça. On est là, debout. Et on va accompagner le projet qui est la libération de l'Afrique. Fini la domination coloniale. On va y arriver. Je les laisse négocier, je sais, c'est pas évident. Mais pour ce qui est, par exemple, de la base là, vous là, des projets, projets agricoles, machin chose, on vous a allé. Ça ne ça passera pas comme ça. On va revoir nos copies. On s'est dit, on va favoriser. Il y a deux types de Sénégalais. Même les Sénégalais qui ont vendu le truc, machin chose, il y a des vrais progressistes. Moi, je connais des jeunes, je connais des gars, je ne suis pas plus engagé qu'eux, mais ils ont la double nationalité. Mais on va trier là-dedans. Dans ces gens-là, il y a, plus de vendus. Mais on se connaît heureusement parce qu'on connaît le terrain. On vous a élevé, on se connaît. Ce que je vois là dans des groupes là, en train de machiner, les trois quarts, c'est des vendus. Vous cherchez du matériel, du thune. Et vous n'êtes même pas les dire. Il y a, quelqu'un derrière vous. Il y a un Georges, un Pierre, un Bernard derrière vous. OK Et vous, euh, comme des salopards que vous êtes, c'est dans vos gènes, vous venez vous présenter comme un panafricain, comme un sénégalais, et comme ça, l'État va, vous considérer en tant que tel. Vous savez, vous les connaissez aussi. Alors que vous travaillez, vous êtes des comme vos grands-pères, qui nous ont tenus en otage, en esclavage, en, jouant le jeu, par exemple, du colon. On va prolonger ce combat. Le combat n'est pas encore fini pour l'instant avec l'acquis qu'on vient d'obtenir, que ce soit au Mali, Burkina, Niger et tout ça, et au Sénégal surtout, où on a obtenu une majorité à plus de 54% et le peuple l'accompagne surtout là. On va être très vigilant. On ne va pas vous donner, par exemple, des ouvertures pour l'intérêt l'intérêt de Jean ou Georges Bernard qui est caché derrière toi. L'Afrique est truffée de vendus. Là, par exemple, dans ces groupes-là, parce que souvent, tu vois, il y a des groupes de panafricains qui se sont tellement battus là, en Europe, ils sont dégoûtés, quoi. Ils dénoncent tout ça. Ils organisent une réunion, normalement, le 29 là, mai à Paris faut y aller, travailler avec eux. Ça, c'est des vrais. Et je peux vous dire, euh, plus de la moitié, c'est des enfants aussi ici de démigration, qui ont ce qu'il faut, qui n'ont pas besoin d'Afrique pour vivre. Ils ne connaissent même pas l'Afrique, ils ne parlent même pas. C'est pour ça que vous savez très bien, moi, avec ma fierté, chaque fois je fais par exemple mes lives, 80% en parlant ma propre langue, en parlant Wolof. Là, si je mets l'accent sur ça, euh, m'imposer, par exemple, de m'extérioriser, de communiquer en français, c'est pour, par exemple, élargir. Appelez vos autres enfants africains. Ils ont pris un rendez-vous pour ce 29 là. Il faut les rejoindre à Paris. Tu vois. Eux, ils se sont levés pour le peuple africain. Ils se sont pas levés pour remplir leurs poches, pour accompagner le colon, pour faire passer encore le colon qu'on a foutu d'or par la fenêtre, sous couvert d'un noir, quoi, né à Bangui, ou né à Abidjan, ou né à Dakar. Il suffit pas d'être né à Dakar, d'être noir, hein. Attends, qui a trahi tout, tout, tout, notre depuis le début? Depuis le marché triangulaire. D'accord? Qui a bousillé Cheikh Diop Qui a bousillé Thomas Sankara? Hein? qui a, bougé la culture, notre culture. Qu'est-ce que vous savez dans notre culture Tu rentres dans leur groupe, il suffit que tu lèves la voix, ils te font comme les euh, euh, gars qui ont colonisé nos grands-pères, quoi. Ils commencent à trembler. Ah, père, père, respect, père, respect. Alors qu'ils t'ont foutu le doigt dans le cul, quoi. Et tu gueules, tu lui dis, mais attendez quoi, tu te fous de ma gueule ou quoi Tu dis, père, respect. Tu m'as respecté, toi Tu vois, mais là, tu essayes de me rouler, là. Avec ton air petit blanc là. Hein? Moi, je suis un fils de Fano. Quand Fano disait que celui qui adore le nègre est aussi malade que celui qui le déteste. Aujourd'hui, vous là, ces bounty là, c'est vous qui cherchez qu'on vous adore. Quand on vous caresse, vous remuez la queue là. Et vous venez pénétrer encore comme ça en Afrique, nous faire encore beaucoup plus mal. Ça passera pas, ça. Je vous le promets. Ça passera pas. Et je commencerai par le Sénégal. Croyez-moi. Ce nouveau là que vous voyez là, c'est mes enfants. Avant de créer les parties passives là, on se mettait à table. n'ai jamais déserté, je ne déserterai pas. Et je vais veiller à tout ça. Avec les miens, bien entendu. Vous pensez que là, tout le monde est un Ils sont au courant, ils surveillent. On va rester très vigilants. Ce premier pas-là, on va confirmer l'essai contre bec et ongle. Ils vont pas nous envoyer ce qui nous ressemble. Malheureusement, ceux qui font partie intégrante de nous, les, nains, les nôtres, qu'on a achetés, comme on a acheté leur papa, leur grand-père à l'époque, Senghor, Ophi, Boigny, tous ceux qui ont déstabilisé ces couturiers, qui ont tué euh, euh Cabral, qui ont tué Patrice Lumumba, qui ont tué Thomas Sankara et tout ça. Vous pensez qu'on va laisser ça, nous Vous croyez ça, cinq minutes Non, on est en 2024. Hein. On a ramé. Hein. On a vu ce qui s'est passé. La fois dernière, j'ai vu mon, mon, fils là, c'est bien parce qu'elle a entendu Papa. Allez, qui commence à mettre des documentaires là, sur mon grand frère, Omar Diop Les gosses, ils connaissent pas Omar. Ils connaissent pas Omar. Et maintenant, ils commencent à passer, les gosses commencent à te poser des questions. Hum? Il y en a qui me demandent, mais Omar, ceci, ils n'ont rien compris, quoi. Je lui dis, c'est mon grand frère. D'accord C'est mon aîné. Et je leur explique. D'accord C'est mon aîné, mais moi, je suis l'aîné de euh, les gosses ne savaient pas tout ce parcours-là. Hein? On s'est battu, on a vu nos grands-pères se battre. Mais les gosses-là, ils connaissent rien du tout, tu vois Ils connaissent rien du tout. Tu vois, par exemple, j'ai ma fille là qui, vient, parce que là, c'est l'histoire qui commence à arriver. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Yami Diop. Yami Diop, son grand-père, mon grand-père, tu vois, était l'ami intime de Senghor intime, tu vois. Et papy, là, quand tu disais 5 heures seulement, il te casse la gueule, quoi. Moi, j'ai grandi dans ça. Et de l'autre côté, ça, c'est mon côté saloum. D'accord euh, euh, Son grand-père, le mien. D'accord Et quand j'en parle, c'est l'histoire. Personne n'en veut. Parce que je mets en face, avec lui, Bagnas, Ibrahim Personne ne dit. Ibrahim Seydou personne n'enlève Jim Momar Gueye personne n'enlève Waljo Ndiaye leur petit frère personne n'enlève c'est moi de l'autre côté je mets Lamine Kouré Lamine Gay, l'oncle de mon père Lamine de donc je suis dedans et je sais ce qui ne va pas et je sais ce qui s'est passé mais nous avec l'éducation qu'on a eue tu vois tout à l'heure, là, c'est un camarade qui m'a envoyé un message avant que je commence. Il me demandait si je suivais mon jeune frère qui est à la télé, comment il s'appelle, euh, Butch. Je lui ai dit, mais j'étais pas au courant et je commence en live. Il s'appelle Eliman Khan. Eliman. Quand je commence, c'est un autre frère, hein, Lamine Hier, il faisait conférence à comment on, comment on l'appelle, euh, chose relais, route de Wakam. Hier, une tête, une tête, Lamine. Il m'a appelé quand j'ai commencé les trucs et je lui ai dit que je finis ça et je te rappelle. Relais route de Wakam appartient à mon oncle, Doudou C'est mon cousin Albert qui le gère. Doudou et Moudoubo qui étaient la RDA, Philippe, dabo et voisin Koulbali sont comme ça. C'est mon oncle Doudougueï et Modibo Keta qui ont fait le coup d'état de l'éclatement du Mali. J'ai des cousins qui sont nés au Mali. Il y en a un qui portait le nom de Modibo, il y en a un qui portait le nom de voisin Koulibaly. Ça, c'est la RDA, Rassemblement démocratique africain. Compris Si vous parlez de l'histoire. C'est aujourd'hui que vous commencez à découvrir ça. Le Sénégal est un pays jeune. Quand ma fille me dit, euh, euh parler de Senghor, par exemple, hein parce que elle a entendu le rapport de Senghor et son grand-père. Mais elle ne le connaît pas. Moi, je l'ai vécu. Très jeune. Je parle de grand-père et je parle de père. je sais qui était politiquement le père de Senghor en politique. Mon père, Ibrahim Seydou Vous ne le connaissez pas. Le père de Majim C'est le père de Senghor. Deuxième père, c'est qui C'est mon oncle Lamine D'accord qui est mon oncle côté maternel Wali Sirembouch Ou Jojo Ndiaye non allez vous faire un tube jusqu'au triangle. on fait table du passé moi je peux pas exploser en analyse d'homme de gauche cette période là je suis un petit-fils de Cheikh Ahmed Bamba par exemple mon homonyme et si je dis à Kara aujourd'hui, moi, je ailleurs, vous ne représentez pas mon grand-père, c'est un bambiste, vous n'êtes pas un bambiste. Parce que vous, ce que vous faites, vous portez par exemple les acquis du colon. Vous êtes des amis du colon. Mon grand-père n'était pas ami du colon, c'est pour ça qu'on l'avait foutu d'or. Mais j'ai d'autres grands-pères. C'était des vendus inconscients. Mais je le sais, comme j'ai d'autres camarades, d'autres frères avec qui j'ai grandi. Je le sais. D'accord Mais il fallait avoir ce qu'on appelle un retenu en tant qu'Africain, un respect en tant qu'Africain, et essayer de comprendre quelle est la méthode du capitaliste qui divise pour mieux régner, qui achète les autres, qui joue sur la faiblesse des gens, la naissance par exemple d'un peuple et tout. Tu, attends le temps. Et si le bon Dieu t'accompagne, tu arrives par exemple à là. C'est pour ça qu'on a commencé dans le vrai combat à se battre, tu vois, moi j'ai jamais été excessif ou insulte. J'insulte pas Khalifa Saleh. C'est mon jeune frère, un socialiste comme moi. Je sais de quoi je parle. D'accord J'ai des jeunes frères chez Ablaïwad chez Maki. Je les appelle, mais les grands, ça, c'est ça, je sais quoi faire. Je sais de quoi on, que, qu'on est victime. Je le sais. Je le sais. Et aujourd'hui, quand je parlais de, euh, par exemple, euh, faire table rase du passé, parce que nous tous, on est responsable de ça. Même moi, qui a vécu 54 ans à Paris, qui a tout le temps vécu, qui n'a jamais pratiqué la politique à l'intérieur du Sénégal, et qui s'est battu pour le peuple africain, demandé aux sans-papiers en étant ici. Je suis leur papa, personne ne peut l'enlever. Qui peut parler de sans-papiers et de l'immigration en France en passant devant moi Il n'y en a pas. Mais je ne le dis pas, je ne le revendique pas. Pour vous ramener petit à petit à là où on se trouve. Je fais table du passé. Marito Nyan, c'est mon petit frère le 23 juillet 2022 ou 2023, sa lettre de démission, je suis le premier à l'avoir. Il était assis dans mon live quand je mettais le pont sur le J sur Mansour Fay. C'est ce jour-là que Marito, je l'ai même anglais dans le live. Allez chercher le live là. C'est mon petit frère. Je l'ai accueilli en France à Orléans. Comprenez, les gars Basta On est fier d'être ce qu'on est on éponge, on va rebondir. Notre pays est jeune. Ousmane n'est cinquième président de la République. C'est un jeune. Est-ce que tu vois Il faut essayer de reconstruire tout ça, de remettre les choses en place, de sortir les plus, les, plus futés. C'est pas pour l'intérêt des Bamba, ni de nous qui sommes devant. On s'en fout éperdument. Moi, j'ai tout mis dans la lutte. J'ai jamais cherché de place. Ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé du tout. Je n'ai appartenu à aucun parti. C'est ce qui me donne cette liberté. D'accord Demandez à Moustapha Demandez à Père Wade. Demandez à Abdoul Demandez à, Latif Koulbali. Demandez... attendez les gars. Qu'est-ce que vous voulez nous faire Et maintenant, des jeunes sortis de je sais pas où là, Hein? Vous venez, il y a des, même des gens qui ont pratiquement mon âge, qui sortent, je ne sais pas, où, pour venir revendre le Sénégal, hein, en étant par exemple des hommes de paille, hein, des petits blancs là. Mais Macron est né, ben, écoute, 76-77. Un gamin tête à claque. et Aujourd'hui, on m'emmerde avec euh, Marine Le Pen, balotage favorable. Élisez Marine, s'il vous plaît. Vous allez vous découvrir devant Dieu et les hommes. C'est là où vous allez comprendre que vous dépendez de l'Afrique et du Sénégal. Et on ne dépend pas d'eux. Mais j'ai des enfants et des frères qui n'ont pas de couilles, qui n'ont jamais osé, par exemple, se battre pour, pour ça. Moi, je le demande. Je le demande à mes camarades de gauche aujourd'hui et d'extrême gauche, qui nous appellent à Paris pour l'Union populaire. Je dis, allez vous faire foutre, camarades, je vous emmerde, hein. allez vous faire une tucule. Vive Marine Vive Marine Vous allez voir où va se trouver l'armée française demain à Dakar. Vous allez voir ce qui va se passer. On va voir qui est qui après. J'ai quelques enfants là, vendus là, hein, euh, avec issue euh, issus de l'immigration, avec le double nationalité, qui tremblent déjà parce que euh, Marine a dit qu'il va arracher, il va reprendre votre double nationalité. quel, est votre sang là qui coule dans vos veines là Bref. Arrêtez d'essayer de, Ça de... Ça passera pas, les gars. Cette fois-ci, ça passera pas. On a trop bavé, on a grandi dans ça. Quand y a Ami Diop me dit ça, ma fille là, c'est très bien. Ami Diop c'est mon grand-père. Comment je... Écoute, ces enfants m'écoutent. Ces enfants m'écoutent. Senghor Putain Voilà. Il me parle de Senghor. On a enterré, je vais te le dire, Francis Senghor, le 5 octobre dernier. Francis est mort. Francis est mort à Boulogne, là. On n'était même pas au courant. C'est le seul fils de Senghor qui restait. Quand je l'ai appris, Omar Diop était là. Il aurait en parlé, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai appelé Idi Conte. J'ai dit, mais Idi, t'as eu des nouvelles de Francis Il me dit non. J'ai dit, mais moi, ça fait plus de 10 ans hein, aux États-Unis. Il m'a dit qu'il était rentré. Doudou m'a parlé de lui avant de décéder. Doudou est décédé, ça fait plus de 10 ans. J'ai dit, putain, j'ai appelé Moustapha Agnès. J'ai appelé et demande-lui. Je l'annonce à Moustapha. Moustapha qui me dit non. J'ai dit le 5 octobre, j'ai appris par un camarade que Francis est mort à Boulogne. On ne sait pas où on l'a mis. Il me dit, fais tout pour ça. J'ai dit, mais bien sûr. J'ai appelé Ousmane Blondin, Ousmane, c'est son ami. Ousmane me dit, mais putain, il y a longtemps, je n'ai pas vu Francis. On a cherché, cherché, cherché, cherché pendant une semaine, deux. Moustapha m'a rappelé et me dit, on l'a enterré à Boulogne, telle tombe numéro 48. C'est renseigné, on s'est renseigné, Francis a une place pour 10 ans. 10 ans. Quand je parle de Senghor, pourquoi on vous parle de Francis aujourd'hui Parce que Francis a pris ses distances depuis très longtemps. Vous ne l'entendez pas dans l'héritage, vous ne l'entendez pas avec euh, Colette Senghor ni rien. Ils n'étaient pas d'accord. C'est pour ça que nous, qui reprochons notre père Senghor la mort de Omar Diop Blondin, si on vous parle de Francis Senghor comme ça, comme un des nôtres, vous devez imaginer si vous avez un cerveau de putain de merde là, qui était Francis, et pourquoi il est mort comme ça. Et c'est un petit-fils de qui Son grand-père est enterré au Panthéon. Félix Eboué est le père de sa mère. Il est enterré au Panthéon à Paris. Et Francis est enterré Boulogne, euh, au numéro 48 pour 10 ans. Vous avez compris ça, vous Nous, c'est ce qu'on a vécu. Cette complicité de la vie. Vous imaginez qu'on reste assis comme ça. Il dit euh, Ousmane, euh, Ousmane Diop et tout ça. Francis écoutait du jazz parce qu'il était fan de Miles Davis et tout. Et attaquer Senghor, son père, à cause de l'assassinat de Omar Diop Blondin. Les gars, allez jouer ailleurs. Vous ne connaissez pas notre pays. Vous ne connaissez pas notre pays. Vous ne connaissez pas notre pays. Ne détruisez pas le Sénégal. On est en pleine construction on veut construire, on veut devenir grand. Et pour devenir grand, il faut savoir qui tu es et ce que tu dois faire. Des fois, hmm, il y a des choses d'affect qui nous lient. Nous, avec pas mal de camarades, moi, il y en a, on ne peut pas s'affâcher. On ne peut pas les anglais. Mais c'est dire la vérité en face, oui. On se le fait plus dur qu'entre vous, les hypocrites, les lâches là. On se dit la vérité, on se rend dedans. Mais jamais de problème personnel. Et quand il y a malheur, on se retrouve nous tous. Quand il y a bonheur, on se retrouve tous nous tous. Mais ça ne nous empêche pas qu'on ait chacun notre position. Et il y a un respect de ces positions-là entre nous. Apprenez ça, mon Dieu. Apprenez ça ou bien d'essayer de, plus quoi des petits-fils d'arrivistes de merde là, arrivés à Paris là, quand je les vois, les trois quarts que je rencontre, <coughs> c'est dans ma lutte que vous avez trouvé des papiers. Je peux citer Il y a Appelle ta tante. Appelle ta tante et Khadisha Appelle Yacine Diop et Vous le parlez à l'époque de la lutte des sans il n'y avait pas dix Sénégalais pignons sur rue à Paris qui osaient nous fréquenter, accompagner les sans-papiers et les défendre. Ils ont tous fui. Je peux vous faire une liste dans Paris aujourd'hui, les gars à cravate et tout ça, quand ils sont arrivés un peu de partout, qu'on les a intégrés, s'est battu pour qu'ils aient la euh, carte de séjour. Ils sont aujourd'hui français. Ces gars-là peuvent me dire quelque chose, moi. Marre, de Petit con, vendu. Vendu. Hein? On est le combien Je pensais à lui avant-hier et je voulais faire euh, quelque chose pour lui. Et c'est là que j'ai regardé. Il m'a quitté le 19 juin, Le 19 juin. Maguette Solo. Solo du PS. Mon jeune frère. À Paris, on se retrouvait chez moi, on faisait notre soupe quand Kanja, écouter de la musique. Maquette est partie. Je peux vous faire une liste. Hum? Hein? Alusal. Hein? Je peux te faire une liste aujourd'hui. Fadiga. Je peux te... Marina. Je peux te faire une liste. Pape Papfal, qui est mort là dans mes mains, à 4 h et quelques du matin. Tout seul. Moi, pape et le bon Dieu. Tout ça, on l'a traversé. Vous voulez nous foutre, nous emmerder, vous, là, là, de petits cons de merde, là on va reprendre la lutte et vous remettre à votre place. Vous ne savez pas vous battre, vous êtes des castagnettes de merde là. C'est que méfiez-vous. On a enterré nos pères, hein, euh, nos frères, nos sœurs dans la lutte. On ne peut pas être des lâches ni des trouillards. Faites attention. Faites attention. La lutte n'a pas commencé. Hein. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est rien. C'est une révolution de palais, ça. La suite risque d'être très dure et c'est pas fini. Ces petits cons-là, cravate, chemise, nous emmerder. Vous savez la pratique qu'on a eue, nous D'où on est sorti Ce qu'on est capable de faire Vous ne connaissez rien. C'est moi qui vous le dis. Et ça, c'est un débat, hein celui qui veut rentrer, qui veut qui débattre, qui invite à ah, un débat devant le peuple sénégalais. On va vous décroter tous. Il prend là. Vous voulez revendre encore euh, le peuple sénégalais La campagne qui s'est passée, je vous ai accompagné qui a plus de lives que moi chez les Sénégalais. Chaque année, 365 jours, j'ai au minimum 250 lives. Il n'y a pas de contradiction. Les preuves sont là. J'ai l'âge de votre père. Où était votre père quand vous se battait J'ai l'âge de vos papas. L'autre jour, j'ai entendu mon frère à la canne là disait, les gosses, ils n'ont pas de euh, lecture politique. Ils n'ont pas d'idéologie. Ils n'ont pas fait l'école du parti. Oui, on ne les a pas formés. Ils ne connaissent rien. Il faut un moment leur dire, écoutez, vous ne connaissez rien, vous racontez des conneries là. OK Ce que vous dites là, les trois quarts, ce n'est pas ce qui sauve l'Afrique. a OK Non J'ai bien réfléchi parce que hier, j'étais dans ce groupe de merde-là. Avec des enfants, des valeurs. hein. Mais ils sont toujours Jusqu'à 4 heures du matin. Après, j'ai dit même, il faut mettre le haut là. Parce que ces gosses-là, ils poussent le. Souvent, ils prêchent le faux pour connaître. Vous l'avez trop prêché, vous allez connaître avec moi. Parce qu'il y a plein de choses, on ne le dit pas par pudeur. On ne le dit pas par éducation. Parce qu'on est africain. Parce que quand je vous parle de mon grand-père Ibu Diop du père Senghor, de mon père de mon père euh, euh de mon père. Et ce pas des papas comme vous dites vous. Hein. J'ai grandi avec eux. Baye me donne toujours du adieu, moi. Moi, comme ça. Bye, Bagnas. Vous savez ça, vous Et on ne dit rien. Et vous ne savez pas ce qu'on a vécu étant jeune. Je suis un petit-fils d'un Boutousson. Vous savez ce que ça veut dire Vous savez ce que ça veut dire dans le salon D'accord Je connais tout ça. J'ai vécu dans tout ça. J'ai grandi dans tout ça. Et je gère tout ça. Quand je disais à Sidi Lamignas, je l'ai dit une fois à Hélène de la Chopin. Hélène, quand on s'est rencontrés la première fois à Paris 8, hein, ce fils de Samy Turpin, là, Samy est mon grand frère. Samy nous a laissé à Kaolac hein, hein, et les a fait en Casamas. Hein, euh, qui, Suleiman, et Hélène, sa sœur. Quand on s'est rencontrés à Paris 8, la première fois, j'occupais l'enfer Paris 8 avec les sans-papiers. On me présente Hélène. Je lui dis, Hélène Seignac Elle me dit, comment Je lui dis, Hélène Seignac Hélène c'est sa grand-mère. Elle porte le nom de sa grand-mère. Elle me dit, mais tonton, il n'y a que toi et tonton Sidi Lamenias qui m'appelle Hélène Seignac j'ai dit, c'est parce que ta grand-mère nous a élevés dans le salon. Et c'est une vérité. Comment j'ai fatigué quand nous étions jeunes Sidi Lamine. <laughs> Sa mère me disait toujours que Sidi Lamine était... Ah, parce que son père, mon oncle, tu vois, c'est Sidi qui doit me donner le sagarindiam et moi j'emmerde toujours Sidi. J'emmerde Sidi, mais Khalifa, c'est notre grand frère. Quoi que Khalifa puisse faire, c'est mon grand frère. Vous ne comprenez pas ça, vous n'avez pas cette éducation. Ça ne veut pas dire que je suis dépendant d'eux. Il connaît ma ligne, il connaît ce que ce truc. Mais ce respect-là, comme on nous a donné, c'est ce qui nous permet de gérer et de savoir qui nous sommes. Ça n'empêche pas, attention, on a notre personnalité. Mais vous là, le colon. Il faut lire Fanon dans l'aliénation. Vous êtes des Vous ne savez pas qui vous êtes. Moi, mes grands-pères, comme les grands-pères de Yamidjo, mes grands-pères m'ont marqué. C'est ce qui a fait que je peux vous parler comme ça. 54 ans ici. Je suis resté des années sans mettre mes pieds en Afrique surtout au Sénégal. Je suis resté de 87 à 2017, j'ai pas mis mes pieds au Sénégal. Je parle au Olaf mieux que vous, je suis plus imprégné que vous, et je suis encore toujours Saloum Saloum. Ça, c'est mes référents. Sandikoli, Ibrahim Seydou Ndaw, Jim Moumargei. et j'en passe. Vous n'avez pas ça, papa. Vous n'avez pas ça. Quand les gosses me demandent, je dis rien de moi c'est mes grands-parents. Quand tu me poses une question, je pense quelle réponse allait donner mon père chez euh, Et qu'est-ce que Fano allait penser par rapport à cette question Et je réponds, c'est pas moi. C'est pas moi. me moi Ces vendus-là qui commence à nous emmerder avec des programmes, machin agricole, agricole, agricole, hein, euh, ces esclaves de petits blancs là qui vont passer par la fenêtre là, venir en Afrique là, euh, occuper la place et tout ça en disant euh, ouais machin patati patata, on vient pour soulager l'Afrique. Vous ne soulagez rien, vous êtes des bouffons. On vous a envoyé, d'accord L'Afrique hein? on a besoin des vrais enfants d'Afrique. Si vous venez avec des projets pour faire descendre l'autosuffisance alimentaire, l'arachide qu'on aura cette année-là, la transformer en huile, fournir le peuple sénégalais de l'huile d'arachide et foutre d'or l'huile de soja et tous ces trucs-là, je vous dis bravo. Vous cultivez du blé, qu'on diminue l'importation de blé de l'année prochaine, je vous dis bravo. Vous cultivez assez de riz, qu'on diminue l'importation du riz. Bref, Ousmane et Domaï vont suivre et vous aider par rapport à ça. Mais ceux qui sont venus là, Hein, pour passer par la fenêtre, pour l'intérêt, par exemple, de l'Europe, on va vous foutre d'or, On va vous choper par la foule, le fesse et vous donner des coups de pied dans le cul. Que ça soit clair dans vos têtes. Vous n'avez pas affaire avec, avec... Voilà ce que j'avais à dire. Bon, Je n'arrête là. Je peux recommencer dans une demi-heure. Hein. OK Je me suis battu. Ma première boîte date ici de 1982. D'accord Personne ne peut m'acheter. Personne. Je ne l'ai jamais fait. Personne ne lèvera sa main par rapport à ça. Surtout maintenant. Moi, je ne suis pas les vieux, vos papas là qui cherchent, par exemple. <laughs> non. Je laisse couler. Faites attention. On va se donner la main. On va tout faire. On va tout rectifier. On va reconstruire notre pays. On va refaire les liens. C'est ça notre force. C'est ça notre force. Moi, je suis du Sénégalais puis J'appartiens à mon peuple, à tout le monde. Je me bats pour unir tout le monde. D'accord Les injures, les trucs, les machins, les trucs, machins, tout ça, c'est basta ça. Ces histoires de populisme là, des trucs là, ragots-là, d'insolence et tout. Il y a une période, fallait passer par là. Les personnes de Khorom là et tout. Moi, c'est mes enfants qui m'ont mis dans le Khorom. J'ai Khoromé, hein, et je regrette rien. S'il faut Khoromé, man, je suis Saloum Saloum. Moi, mes grands-pères, ils te Khorom. Hein. Ah, ils étaient moi. Je suis un Saloum Saloum, je suis pas un Saint-Lugien. J'ai un côté Saint-Lugien, mais je ne suis pas ça. Hein. Je suis un vrai Saloum Saloum, un vrai Tchédo. Et on m'appelle Rachon de Bamba. <laughs> Et Banya, c'est mon oncle. <laughs> D'accord <laughs> Mais attention, hein. Ah, j'ai d'autres oncles. Hein. c'est mon oncle. Hein. Attention. Donc, bon, j'ai tout ça, moi je Je suis comme dans une révolution. C'est tout. Tout est à moi. Mais je sais le gérer. Vous avez compris Alors basta, calmez-vous. Hein. Le travail continue. On va être vigilant. Ils m'ont trop énervé, ces, connards de gosses-là. Ah oui, moi, oui, ah, A, D, Z, D, A, doctorat, ingénieur, il n'a jamais bossé. Ça, on s'est rendu compte dans le cadre des assises nationales. Une fois, parce qu'on prenait, on prenait la mine Diallo, les, les, les, les, Latif Koulibaly et tout, on les enfermait dans des hôtels à Dakar vendredi, samedi, dimanche pour rédiger les conclusions, parce que les trois quarts ne savaient pas rien foutre. Tu sais, dans les réunions qu'on faisait, par exemple, c'est comme ce qui s'est passé avec Yewi. Avec Yewi, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi, par exemple, après, on dit, euh, euh, quand personne ne voulait prendre et faire la liste et tout ça, ils l'ont poussé à Khalifa, Khalifa, Khalifa, parce que c'était l'un des rares à savoir le faire. il y a eu ceux qui savaient, par exemple, qui, ont fait l'école du parti. Hein? C'était Khalifa. Mansour Jamil, par exemple, et tout. Eux, ils savent faire. Mais les 99%, ils ne savaient pas faire. Le donnent à Khalifa, après, ils disent, la politique est une science. D'accord les gens ne savent pas ce que c'est qu'un parti, ce que c'est qu'une ligne de gauche, ce qui n'est pas truc, quelle est la différence chez les marxistes et tout ça, quel, est le stalinien, le maoïste, le trotskiste, ils, ne savent pas tout ça. Ils viennent avec leurs casseroles là, leurs chipons là, nous emmerder avec tout. tu regardes. L'autre a menti, l'autre n'a pas dit ça, l'autre a négocié, l'autre n'a pas négocié, c'est que vos truc de merde là, ça s'appuie pas de... Moi, je, je, connais les politiques, mais si je ne suis pas dans leur parti, avec qui on parle le même langage qui vont comprendre ce que je dis, même s'ils ne le font pas. Quand je parle, ils vont comprendre. Quand je me lève pour me battre avec eux, ils savent très bien pourquoi je me suis énervé. Mais les trois quarts d'entre vous, vous ne savez rien du tout. Vous racontez n'importe quoi et vous tuez le pays. Mais là, ça va s'arrêter. On va remettre les choses en place. Cet acquis-là, on va confirmer l'acquis pour soulager notre peuple. Un peu d'empathie pour yërëm talibé yi yërëm paysan yi yërëm yu kii yi Sénégal yi seen lex yi génnaat seen wang ji génnaat ñuy fétiat di reer di lekk mbaxalu saloum di kéenteg yooyu soxranté bi dem loolu moy objectif bi d'accord mais pas kii jël dugal ci poosam wala des trucs comme ça lo gis nag xam leen ken kenn fàttewul dara té yépp dinañ ko régler mais dans le calme et la dignité chaque chose à son temps vous m'avez compris ou non vous êtes des cancres d'accord

chacun à sa place chacun à sa place hein? mais fi amna ñu xex ba paré ay xalé taxaw daf commentaire ma man ak Ousmane Dramé ak affaire projet Mon patriote la na bataille dafa bëgg projet gouvernement tu tu battu pour ton peuple ou bien pour avoir quelque chose mais oui man j'ai enterré mes enfants Papito Tokara, puis mon ko jotee 10 jours ñu ne et alors c'est le prix à payer on fait pas d'omelette sans casser des œufs vous savez combien on a perdu vous savez ce qu'on a enterré hein? xeex ba a daal di a dit, di ne jox ma suma part ben part quel amu fi part yaa ngi dégg kenn amu fi part li nga mën défendre d'accord il faut que ça aboutisse dit que c'est un peuple man dis ma c'est un peuple dinaa ko défendre contre bépp Je ma trahir mon peuple que j'ai le droit ñëw taxaw man na naa yow fàtte nga yow depuis 10 ans ñoo nekkoon xeex nañ fii tëj nañ ma alors man bu soxla la non mais c'est quoi ça on se bat pas pour son peuple on cherche à réussir sa vie que de réussir dans la vie opportuniste yi nga gis yëpp projet pour l'Afrique ou des trucs comme ça c'est pour mettre dans leur poche allez vous faire foutre soxlawuñ ko am pour l'intérêt des opprimés en Afrique pour l'intérêt nos miskin loolu moy jullit jullit day am empathie Ça me dom Cheikh daf ma au dima laaj quelle est la différence entre euh, l'homme de droite et l'homme de gauche Maintenant l'homme de gauche doit avoir de l'empathie D'accord. am cherche à réussir sa vie que de réussir dans la vie di du di du di Hum

Salut tout le monde. C'est ce que j'avais à dire. Moi, mais de meilleur rectal. J'ai le temps. Je suis à la retraite depuis 2014. J'aurais pu le prendre en 2009. Hein. Donc bon, il faut mon mon air D'accord Quel monde me Je ne dépends de personne. Je ne dépendrai de personne. C'est trop tard. Depuis l'âge de 20 ans, je ne dépendre de personne. C'est pas maintenant que ça va se faire. Là, je me fous une balle dans la gueule, quoi. Tu vois Ok. Allez. Et encore une fois, j'appuie sur un truc. Hein. Il y a des jeunes euh, panafricains. Ils braves. Ils donnent rendez-vous. Il y a des jeunes panafricains qui sont en train de se former. Ils vont publier les rendez-vous. Ils donnent rendez-vous normalement. C'est le 29 juin à Paris. C'est au boulevard Sébastopol. Je vais ressortir ça. J'attends leur flyer et tout ça. Il faut aller les soutenir. Il faut aller leur donner des trucs. Il y a mes affaire bi beaucoup de quoi parce qu'à Paris il bon y a du monde hein. Hein, il y a plein de jeunes tu vois foofu lañ former à yëpp Kémi c'est ma dame-là, en 95, 96, hein, d'accord ah, à peine 18 ans man on se retrouvait pour voir de la Villette si que ben camarade Fofu ben librairie camarade camerounais dans une cour d'accord moi Zoulou et tout ce monde là d'accord on va leur passer le message. Le 29, les, jeunes là, ils vont se retrouver boulevard Sébastopol. C'est tout juste après ça, saint hein, quand tu montes vers Châtelet. Il y a un restaurant africain qui est là-bas, faut que les gars ait rendez-vous. D'accord De toute façon, vous flyer bi génnee appel bi génnee aller encore ko pour l'Afrique préparez le retour il y a un boulevard il y a un boulevard. OK Bon courage tout le monde. Ça va aller. Fournaline. Merci. Salut tout le monde. Salut.